vous faire un petit tuto qui va vous montrer comment comment partitionner son disque 2 bon, d'abord il faut aller sur le menu démarrer vous voyez ordinateur vous cliquez sur ordinateur vous allez voir votre disque principal clique droit sur votre disque dur principal propriété cliquez sur propriété outils cliquez sur défragmenter maintenant. Vous voyez votre principal principal Vous défragmentez. Pour moi, je l'ai déjà fait. Pour moi, c'est à 0%. Moi, je l'ai déjà fait. Fermez. Vous cliquez ensuite sur le menu démarrer. Clique droit sur le. clique droit sur votre ordinateur. Vous cliquez sur gérer. vous voyez ensuite vous allez voir gestion de l'ordinateur gestionnaire périphérique stockage dans stockage vous, allez voir gestion des disques vous cliquez sur gestion des disques et maintenant vous allez voir vos disques de différents disques de vous cliquez vous faites un clic droit sur le disque dur que vous voulez partitionner vous cliquez sur réduire le volume bon moi je vais prendre 10 000 ça c'est 10 gigas 10 gigas vous allez voir 9,17 giga non alloué vous faites ensuite un clic droit nouveau volume simple suivant suivant suivant et non bon je peux mettre pareil vous suivant terminé vous allez voir ok c'est fait Si. le voici Si. on décide que j'ai partitionné fermé ensuite pour supprimer la partition vous faites, vous faites aussi un clic droit supprimer le volume supprimer vous faites ensuite un, un autre clic droit supprimer la partition supprimer ensuite vous faites un clic droit dans le disque étendre le volume maintenant c'est étendre le volume suivant vous allez voir le disque 1000 nul suivant terminé vous allez voir qu'il est revenu à 116 Go bon j'espère que ce tuto vous a bien aidé c'est vraiment un repos vous merci